siar bayi ini jam-jam, jàmm di am mbégte ci yéen di bah, bah, bah, bah a baax a di dellu si waat rek ah di leen wax ne géejee dugub bi moom li ko waral rek mooy dogal yàlla suñu waajuru jigéen moo wàcc liggéey depuis punya ko te ko di ci bu ni di Pastef ak les anticorps ngi gërëm ñëpp ci seen taxawaay ak vraiment eh, seen contribution ci li ñu doon dund nañ ko ci zaahir def ko ci baatin ñu am ci mbégte lool loolu nag moo taxoon ma gëj ci sit bi ça fait partie de la vie mënta ñàkk ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ma dëgg yàlla di am mbégte ak kontaante ci évolution situation politique bi ci Sénégal concernant le PASTEF et le président Ousmane ah am nañ ci mbégte amuñ ci surprise mbégte rek nañ ci am ndax Ousmane Sonko moom ku ko xam te maîtriser ko xam nga ni acte yi muy posé positif rek la mën a def ci askan bi ndax c'est un patriote il est sincère avec lui-même il est sincère avec le peuple loolu motax tax ay actam mom du doon surprise ci ñun mais mbégte lay nekk ci ñun di waxaat rek ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs amul ci yoon wàllu yoon ci ak constitution Sénégal bi nga xam président actuel bi moom moo ko changé introduire ci loolu ne amul kenn ku amat sañ-sañ def ëpp ñaari mandat yu teg loolu je pense que moom ci boppam wax na ko fu ne leeralal na ko fu ne euh, donc je pense que loolu moom di ko jéem a layal wala di ci jéem a indi ay explication c'est du naafeqisme pur et dur waaw affaire naafeq gësal parce que ndeyu mbill gi bind bindam def ko ci constitution moom nee na amatul kenn ko am sañ-sañu def loolu ñetti mandat yu teg loolu maanaam boo defee ñaari mandat moo xam mandat bi cent ans la wala vingt jours wala deux minutes boo ci amee ñaar amatoo sañ-sañ yi doon ci leneen loolu moom moo ko ci dugal moo ko voté te moo ko garanti moo ko wax fu ne ñu di ko dégg kon je pense que affaire troisième mandat moom yabaate weesu su ab journaliste wala ab homme politique wala homme public ñu di ko ci laaj mu ji mu ji ndax moom mi constitution wooteelu ko changé lu ko ne dama ko vérifié bëggatuma ñu koy wax ay ci boppam moom jiitu réew moom moo ne loolu ci Sénégal ku am ñaari mandat moo xam mandat bu un un jour la xam bu deux jours bu trois jours quatre jours moo xam mandat bu mille jours la mais ñaar nga ci a parce que la durée du mandat ne compte pas ce qui compte mooy le nombre de mandats donc buñu buñu bu dugg ci seen i seen caaxaan yooyu ñu nekk di ñu bëgg a dugal ci ay ay ay ay ay ay di jéem a compliquer des explications des choses qui sont très claires nga bëgg mu mu mu mu compliquer ngir nga mën a continuer ah di jéem a espérer def beneen mandat Macky Sall amul droit def trois mandats amu ko amul droit bi lu mu mën di def ak lu mu mën di wax it amul amul droit bi moom ci boppam moo ko wax.

léegi nak ñu bëgg ñoo indil ci ay discours yoo xam ne nii amul bopp amul genn Macky Sall amatul droit def beneen mandat ci bopp Sénégal bu ko neexee nag mu bàyyi bii bu beneen yoonee mu ñëw bokk mais bii moom mënatuloo def beneen mandat mënatul nekk c'est impossible y a pas de mais ou de je sais pas quoi y a pas d'autre explication nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nii amul kenn ko amatul amul sañ-sañ ca Sénégal moo xam mandat deux minutes nga def wala mandat quinze minutes mais kenn amatul droit def lu ëpp ñaari mandat loolu kay c'est clair loolu c'est clair donc il y a pas de y a pas de je ne sais pas quoi Il y a pas d'explication ciao no non fait niente <laughs> No, volevo solo parcheggiare qua. Se vuoi metterti te, vai, vai, vai. Ah, ok, va bene, mi dispiace. <laughs> Grazie. Vai, vai. waaw loolu muoio a girare, muoio. mooy affaire troisième mandat moom Eh, nañ ñu ci dimbale quoi parce que Macky Sall amul droit def trois mandats mon wax na ko moom ci boppam un na amul sañ-sañu def comme nag gars yi dañuy insister insister les soi-disant juristes les soi-disant journalistes les soi-disant intellectuels wala politiques, dañoo bëgg a imposer nit ñi xalaatu troisième mandat eh, je pense que loolu mënut mënul nekk daal ce qui est impossible est impossible et Macky Sall lui-même mon mode def de telle sorte que loolu mënul nekk ndax moo ne ma sama constitution ñu bindal ma ci ne kenn amatul sañ-sañ def lu ëpp ñaari mandat je pense que loolu warta nekk waratu la nekk discussion bi légui nak buñu jallé ci lolu espérons que Macky Sall va respecter sa parole donnée parce que mësul respecte parole amul ben lenn lu mu fi mës a wax lu mu respecte amul il est indéfendable amul ben acte bu fi Macky Sall wala ben discours bu fi def nga dox tuuti gis ne li mu wax ni def na ko amul amul leen lu fi wax te def léegi pourquoi ñu war ñoo mën a imposer Macky Sall au nom de quoi lan la fi Macky Sall liggéey lu extraordinaire lu war a mën a tax mu war fee mën a toog ilaa yoomal abat pour lan parce que dafa am ñoo xam ne seen intérêt nekkul ci Ousmane Sonko nekk président de la République maanaam am na ñoo xam ne Ousmane ko nekk président de la république loolu jaral na leen ñu jaay li ñu am yëpp ba du am parce que xam nañ ne bu boobaa tappale day jeex client day jeex sàcc day jeex fenn yii nii ñu jël def ko léegi euh, euh, kii ni ñu ko waxee sax euh, def ko doctrine ku mu neex fen fen fen wala neex boo xëyee nga génnaat ci yooyu yëpp day jeex Sénégal day tegu ci dëgg tegu ci yoon luay wax di nga jéem fexé organiser ba sa lolu nak bari na ñu Sénégal du politicien des politiciens, ay mais ni rew mi doxé mo leen arranger ci li gis bañ nako ci amna ci wax sax ne ñom Macky Sall li avec Macky Sall tout est possible avec Macky tout est possible lepp mëna tout est possible. léegi nag gisuñu ñun lu tax Macky Sall war fee mën a toogaat par force gisuñu ko même bu tabaxoon ay sato en diamant tabax ay tali en or Macky Sall ñaari mandat la am sañ-sañu def mënu ko weesu amul benn mais wala c'est-à-dire wala c'est c'est que amul explication logique moom ci boppam moom moo ne su ngeen ma falee mandat bii ma nekk muy 2019 bu ngeen ma ko renouveler man pare naa ci dem leen ngeen génn archive yi ngeen tegal ko ñi nga xam ne xam nga nag Sénégal euh, da ngay ñëw rek jël sa dem télé wala site internet wala fenn nga fay sa xaalis ñu dékk la micro ngay wax lu la neex ki nga jàkkaarloo xam ne li ngay wax du dëgg en tant que journaliste mais mënu laa wax déedéet ndax da fay pour ñu interviewer ba loolu moo tax liberté de presse amatul ndax bu fekkee da ngay fay pour mën a jàll ci site internet ça veut que yow bu la neexee lu la neex nga wax ki nga amal en face du la mën a tenir tête jusqu'au bout mën na la jéem a relancer tuuti rek mais du la forcer ci ne li ngay wax nii tegoo ko fenn loolu moo tax léegi bu ñuy critiquer les journalistes c'est à cause de ça en plus bëri na ay patron de presse yoo xam ne nii Macky Sall dañuy am ak moom euh, dañoo am ak moom relation yu étroit yu jege ba seen seen télé su ci Macky Sall wala waa kër Macky Sall yi gisee kenn koo xam ne mi ngi wax de de trop luy critiquer état bi danañ fexe tout ba écarté la. c' est ça la vérité li Ousmane Sonko di wax Barthélémy Dias di wax c' est la vérité hein c' est la vérité pure et dure beaucoup de patrons de presse dañuy liggéey di jël seen presse bi di ko def euh, moyen pour mën a am dara ci état bi booy xool ni ñuy répartiré euh, ci wàllu euh, liberté d' expression ak possibilité avoir d'avoir accès aux médias da ngay gis ne opposition bi dañ ci néew doole dañ ci néew doole wala même buñ ñu leen ci invité journaliste bi leen invité taxawaay bi muy am ak bu invité koo xam ne dafa nekk ci nguur gi du bokk parce que yow en tant que opposant dinañ fexe ba insister forcer la ba ne la li ngay wax nii du noonu mais bu dee koo xam ne dafa jege nguur gi danañ jéem a xam faire semblant de te critiquer mais ils vont pas jusqu'au bout loolu ñun ñëpp ñoo ko seetlu ñun ñëpp ko seetlu léegi nag journaliste yi bu ñu bañee ku leen critiquer dañuy yem ci seen métier informer juste et vrai suñu képp ku ñu am en face de ñu wax la li ñu xalaat ak parce que ñoom seen seen ah, selon leur information ak ah, selon leur source peut-être am nañu à peu près la vérité donc mën nañu relancer nit ñi teg ko ci respect ak considération mais nag doo gis boo invité opposition bi di leen attaquer juste jusqu'au fond du leen doo leen may dara soo invité ku bok ci étape bi di layam layam yi ak a ak neexum xel fi sénégalais ñepp ay yew xalé yi ndaw yi sax ñoñu gëna yew yeew téeméeri bo boo rek xam nañ li ngay wax deugul la wala du dëgg donc lool mo waral Barthélémy Diaz il a très bien fait que mu souligner loolu wa GFM xamné sen comportement peuple bi d'accord ci kenn waxul nga faral opposition bi à 100 wala nga faral pouvoir bi à 100 mais da ngay équilibrer booy xool seen plateau boobu jàkkaarloo des fois ñu invité fa nit mu toog di wax lu ko saf te xoolal duñ ko coupé duñ ko dagg duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko wax mu xam boppam. te loolu ñu koy def rek mooy ñu ànd ak mag saal ñooy toog ci télé yi di saaga opposition bi di wax lu leen neex di wax wax bi ñàkk yar ñàkk teggin te bu ko opposition defee àdduna bi ŋàmm leen ŋàbb leen ñu critiquer leen traiter leen de tous les noms d'oiseaux donc loolu moo waral ñuy critiquer presse bi la presse.

ba pare même li Cheikh Bara don wax dañoo dem ba sax dañoo complexe léegi presse bi ñemetuñu sax bu opposition bi tegee lu jaar yoon ñu wax ko parce que dañ naan dañ leena acculer critiquer leen na leen yéen opposition bi ngeen àndal opposition bi àndal ba léegi sax nangootuñu inviter opposition bi nangootuñ bu opposition bi défé acte bu juste ñu wax ko ils sont obligés ñuy critiquer opposition pour pour plaire à certains gens qui sont près du pouvoir près du pouvoir loolu c'est inadmissible

parce que fii yàlla rek a fi nekk yàlla kese moo fi nekk amul xale amul mag mag mu fi taxaw di wax lu jaaduwut it dañ naa la li ngay wax tegoo ko ci dëgg amul maa la mag ak yaa ma mag ak yooyu dëgg moom yàlla moo ko moom amul xale amul gone amul mag boo waxee lu jaadu nit ñi ànd ceeg yow boo waxee loo xam da nga ko teg ci sa bakka nit ñi am nañ ci droit xalaat biñ ci xalaat ñu wax la ko bu ñu jéem a complexé gis nga jeunesse bi ni ñu jël seen responsable gi ñuy wax ni yëpp naan dëkk bi léegi dafa changé waaw jeunesse bi léegi xale yi nii xale yi naa xale yi bu ñu fi fekkee mag ñu jub te ragal yàlla danañ leen respecté bu ñu fi fekkee mag ñoo xam ne jubuñu ragaluñu yàlla dañuy utiliser seen intérêt personnel di ko ragle dañuy wax ak ñoom un point un trait bu leen am complexe boobu boo gisee dëkk tubaab yi développé loolu la bu mag feneen dañ naan ko da y' a pas d'explication explication plus claire que ça amul négociation mag mi moo war a wodd boppam régler boppam ba li muy wax mu maîtriser ko teg ko ci dëgg teg ko ci ragal yàlla. donc bu am complexe boobu fi mu toll nii loolu lañ bëgg a suñ yi non jeunesse bi jeunesse bi jeunesse bi jeunesse bi naa bu fekkee mag ñi jubuñu xale yee di wax c'est clair amul complexe amul retenu il ah, y' a pas d'explication explication plus claire que ça. bu mag mi jaaree yoon rek xale yi jaar yoon bu mag mi wëlbatikoo jaar feneen xale yi teg ko ci pénc mi wax ko boppam foofu lañ toll ci Sénégal yi amatul layaam layaame amatul nekk fii Ousmane Sonko langage de vérité la am ak yéen amul kenn kuy taxaw di ko wax lu jaaduwul te du la wax li nga xam ne moo nekk ci foofu lañ war a dox ñun sénégalais yi di waxante dëgg taxaw ci dëgg di wax dëgg bu ñu bëggee réew mu avancé faaw dëgg taxaw mais bu fekkee nag dañoo bëgg di naxasante ak naxasaale ka jaay neexum xel Sénégal du mës a avancé Ousmane Sonko moom gëm na li muy gëm am na ay principes mi ngi dox ci principe yooyu mais pour mu relever les défis du d'un pays stable développé et et et et, je sais pas tout cela il faut que nit ñi jàppale ko ci ni ko ci jàppalee nag mooy dëgg gi nga xam ne moom mi ngi koy wax ku ci gis sa bopp nga assumer sa position wane ne Ousmane Sonko lii muy wax man d'accord naa ci mais ragal la ku critiques, critiquer wala état bi critiquer la wala ñu and ak pouvoir bi critiquer la ba tax yow obligé que ngay bu ma Ousmane Sonko waxee verte na sax non verte dafa dafa a c'est c'est c'est ñàkk fayda ak personnalité wessu loolu man Ousmane Sonko bu defee loo xam ne ànd ci damay à damay sama en public et je le dis mais pas ngay ay non c'est-à-dire peut-être nangam nangam tu es obligé de de le critiquer parce que da ngay bañ critiquer la da ne yow Ousmane nga critiquer. mais Ousmane nga ak mais même bo ak tu sax mu nekk sa xarit ngeen sax jour ak des fois de waxé lo da nga ko non du non. c'est ça la vérité mais tu waxé lu jaadu da nga ko ci appuyer jusqu'à la fin mais ragal ku la critique yi tax ba nangoo assumé na yow kii li muy wax nii moo jaar yoon mooy li yenu maanaa parce que Ousmane Sonko li mu fi wax yëpp jëmale ko ci réew mi mooy li nga xam ne mooy li normal liy dëgg li ñu war a def képp ku ko jàppalewul ci loolu dangaa naa feq rek ak koo mën a doon naa feq seytaane nga doo wax dëgg dañ laa war a teg ci pénc mi wax la sa bopp ak koo mën a doon nag koo mën a nekk nag bo nekké di jema critiquer Ousmane Sonko wala ngay jema faire semblant que ni yow contre nga tuuti Ousmane Sonko pour plaire à d'autres personnes wala pour des intérêts crypto personnels nit ñi am nañu sañ-sañu wax la li ñu xalaat ci yow té lolu comme yé ngay woté démocratie né ku nekk am nga sañ-sañu wax la neex def la neex nit ku nekk it am nga sañ-sañu nit ñi di la critiquer nga xamné li moy démocratie so amé fulla lak fayda wax li nga bëgg def li ngay def <laughs> nangul aussi nit ki mu am personnalité am fulla ak fayda wax la lim ci xalaat yàlla sax amul unanimité yàlla mi ñu sàkk Seydina Muhammad mi nga xam ne sallallahu alayhi mooy yërmande ci jaam yi moo tax ñu sàkk ñu lu ñu bind moo tax amul unanimité kon pourquoi nit ki mbar a mën a keneen ku mu mën a doon ak foo mën a bokk ak loo mën a nekk nga mën a bëgg a prétendre yow li nga wax nit ñi tënku ci roofle seeni tànk dëpp seeni bopp ne la yaa wax dëgg te waxoo dëgg loolu loolu du du loolu du diine keretien moo ko maye du lislaam moo ko maye du culture maanaam senegal Sénégal sax mayewut loolu nit ki bu juumee da nga koy wax ne juuma bu nekkul ci dëgg da koy wax ne nekkul ci dëgg mais doo parce que nit ki mooy diw wala moo représenté diw rek c'est bon c'est normal c'est côté bon. c'est bon. lañ bon. dernièrement ñi ngi C'est euh, ce fameux dossier de <laughs> cette cette fille là cette euh, euh, cette fille je ne sais pas ça ça tout. mais il faut nous arrêter aussi les C'est nous arrêter bon. C'est nous arrêter Ousmane Sonko personnalité c'est Sénégal kenn mësu koo jàpp loxo ci poos muy def loo xam ne waru koo def kenn mësu koo dégg mu wax loo xam ne waru koo wax amul benn comportement bu mu am buñ ko mënee critiquer nañ ko respecter affaire bii ñëpp xam nañ li ci nekk xale bu ndaw bu tuuti bu ne senegal am ñeenti at boo ko woon tey di ko laaj histoire mu nettali ko de A wax la ci xalaatam bëgg jël nag dossier bi def ko épée de Damoclès teg ko ci bopp Ousmane Sonko ñi mu àndal suñu génnee wax lu baax nga génne wax jooju teg loolu moom duñu ko nangu c'est c'est inacceptable mënuñu koo nangu lii ñuy agité nii dafa am lu ci lu ci yoon wax la ca yoon wax def nañ ko ñu gis li nga xam ne mooy pièce maîtresse bi nga xam ne moo war a définir si l'acte et, et, justifier si ou non pièce maîtresse Bobo ak coco coco coco produit. ka ne a demandé qu'est-ce que vous voulez à faire? qu'est-ce que vous voulez à la fin Sauf que vous n'avez pas les couilles vous n'avez pas la capacité de politiquement parlant de répondre à Ousmane Sonko vous devez vous taire et aller à la retraite on ne peut pas accepter que Aïnit bëgg a jël lii nekk ci di fay ay site internet wala ay journal ñi nekk di ci ajouté suba ngoon guddeeg bëccëg parce que Ousmane Sonko posé na acte boo xam ne ni amuñu ci réponse loolu c'est de la lâcheté c'est de la lâcheté képp ku nekk ci gannaaw loolu amoo jom amoo ngor amoo fulla amoo personnalité yow bokk nga ci noonu Sénégal yi y a rien à dire pour un soi-disant un entendre Ousmane Sonko pour si sur quelle base pourquoi lan mo tax ñu wara entendre Ousmane Sonko pourquoi ñu war koo convoqué ci ay tiaxan ay tapalé yo xamné aduna adduna sépp xam nañ ne ay taxawal la buñ ñu amerde li leen Ousmane Sonko wax rek dëgg la une partie de la justice aussi dañuy nekk ñi di leen juste euh, euh, euh, pouvoir exécutif bi di leen manipuler di leen dugal ci ay des conneries des circuits yoo xam ne ça n'a ni que ni tête il n'y a pas de dossier ici. Dossier amouvi. Li ay bu doon kenn ku bokk ci ngour gi la lem nañ ko sanni ci àll ba affaire yi Petrotim bi bi ko fi Ousmane Sonko déposé dañoo xey ñep xam nañ ne li muy wax dëgg la mais dañoo xey lem ko ba mu jekk sanni ko mais pourquoi ñu bëgg ñoo amerdé ci dossier bi nga xamné ni nii n'a ni queue ni tête képp ku nekk ci gannaaw amoo jom amoo personnalité amoo fulla amoo fayda ku ñàkk jom nga ak koo mën a doon parce que Ousmane Sonko mi ngi ci logique am mi ngi wax li muy def di def li muy wax lii ñu ko jiiñ ñi ñëpp xam nañ ni complot la ñi ko comploté ñëpp xam nañ leen pour pourquoi ñu woowuñ kooku ñu tudd ci complot bi lu tax woowuñu ko pourquoi ñu bëgg a emmerder Ousmane Sonko du matin au soir bu nee xat gi lay ne ñu naan ko non dossier bi nangam ak nangam pourquoi certains journalistes ak certains un public, certains politiciens non ils ont a dem procès ils ont entendre au nom de quoi qu'est-ce que vous gagnez dans cela les choses sont claires c'est très clair que ni lisons, ay tapons, la ay nous la ay fen la ay nous la ndaw si ci boppam wax na ba wax ne complot bi c'est clair Nous ñi ngi tojante ay bopp fi mu toll ni ku nekk des li nous def ak li ngeen wax man xam naa gi dinaa wax nangam qu'est-ce que vous voulez encore Macky Sall, il doit se résigner. Il doit savoir que ce pays ne l'appartient pas. Et ne l'appartiendra comme nous <laughs> avons dëkk Macky Sall moomu ko te du ko mës a ba adnay tukki doon na ci maamam xeexul guerre ba mom Sénégal sénégalais duñ ay jaamam dañ ko dénkoon am ci moom confiance ñu dénk ko réew mi ñu gis ne doxal na te li mu doxal amuñ ci satisfaction même buñ ci amoon satisfaction même si on était trop content de Macky Sall il ne peut plus avoir un autre mandat c'est clair keneen ku fiy jéem a layaam layaami di wax leneen y a pas de liberté d'expression ak ku mu neex nga xalaat lu la neex déedéet sur cette affaire là c'est très clair Macky Sall moom ci boppam moo ne mënutuma nekk candidat moo wax ngeen bëgg mag ndey que gi wax li wax ngeen non li nga c'est-à-dire kërëb euh, changer le discours pour lan Abdoulaye Wade mi nga xam ne moom lañ bëgg ci politiciens sénégalais yi fi waxee ne ay maa waxoon waxee dañ na ko fii ko fi bay en plus lii mu bëgg a teg ni naan day am ne si de insulter les sénégalais mënoo tenir sénégalais pendant des années nga a ay euh, envoyé des personnes partout au monde def ay commission fay dépenser des des centaines de millions hein amerde nit nini dem ba ci biir nga def condamnation ne waa dit 138 milliards la wala fay état Sénégal mom la amé Sénégal nga xey na da ngay amnistie oh, pour lan parce que da nga ragal boy, bi gagné la ci élection jël réew mi Macky Sall loolu waroon na sax rouss di ko wax dafa waroon a am kersa wu taxaw ci télé bi wala fu mu mën di doon naa damay amnistie Karim yow ki nga amnistie bugul amnistie nee na la bugul lool nañu réviser na procès bi Karim Wade du sénégalais à 100 pour cent sur le papier sur son père il est sénégalais mais dafa rax tubaab nit ku weex nit ñu weex ñi boo leen defee yëfi baadoo la ba at nay tukki duñ la ko baal xanaa nga ñëw taxaw seen wet nga baal leen ak ñu baal la. c'est pas comme les sénégalais nga xam dañuy gëmm dañuy teg tànk dañ naan c'est-à-dire yàlla baax na àdduna amu solo déedéet. Karim Wade dafa rax nit ku weex da ngay laver son honneur du du dëngal bop rek ne non am amul problème garaawul déedéet je pense que Karim il gagnerait plus que ñu révisionner son procès que ñu du amné amnistie parce que buñ la amnistie moy li nga def li ñu la wax ne yow nag li la wax né yaa ko def kon deug la nangu nga ko tu acceptes Khalifa Sall aussi n'a pas intérêt que nous koy amnistie parce que sinon euh, il va reconnaître ses que luñ ko waxal mom la kon lim doon wax ci rajo yi day deug day nek deug Macky Sall li tax mu bëgg agité amnistie boobu bëgg leen libérer libéré c'est parce que yaakaar na ne bu leen libérer donc doole Ousmane Sonko day wàññeeku loolu sax la journaliste yi di wax hein ça c'est une erreur monumentale Karim Wad s'est dépassé s'est dépassé le la le PDS a toujours son appareil et ses instances politiques. Mais Karim Wad en tant que personne, il n'a jamais gagné même son bureau de vote. qui lan Karim Wade Top Qatar di nos noosam qui ci jàmmam sur les clim sénégalais di nekk ci taw bi nekk ci ont mi en ci de yi ak ci bi di ak Karim mu ñëw tranquillement ñu jox ko réew mu dem palais <laughs> Sénégalais yi bu ngeen ko nangoo ma xam ne yéen nag yéen yéen yées ci adduna bi Karim Wade au nom de quoi lañ ko war a mën a am amnistier muy bokk ci élection yi di ko voté muy nekk président au nom de quoi eh ki koy def am amnistie bi yéen ñi mu koy defaat xam ngeen ne li tax mu di ko def parce que daa am lu mu ragal ngeen bëgg koo accepter ça veut dire que yéen ak moom yéen a yem man je dis clairement et sans ambiguïté lépp lu tak ci PDS PS AFP tous ces anciens partis là wara xaar ñom ça ça suffit largement quoi wara ñom tok xaar hein ñu essayer kenen du question lima and ak Ousmane Sonko tax ah bu Massamba Ndiaye sax mom lay bu tudon Demba Ndiaye wala Babacar Thomas Babacar Sadikh maa lay ziar nuyu naa su tudon Babacar sama Thomas sax moi, j'ai pas de problème de personne. Je m'en fous de Ousmane Sonko en tant qu'Ousmane Sonko. Je suis avec Ousmane Sonko par ce qu'il dit. ci ay actam ak ay waxam ci la ànd ak mom mais ànduma ak mom parce que mom moy Ousmane Sonko ah ndax demaluma fenn amaluma ben njëriñ mais sur les principes ak limi posé en tant que li jusqu'à aujourd'hui je suis avec lui parce que li ma intéressé moy ko xamné boko boo il ci bop réew mi du sàcc alal réew mi dina ték yoon réew ci leneen nu ngeen mën a dégg keneen ku ngeen mën a dégg muy agité keneen kooku intérêt lay seet waxul te yàlla tax lépp lu laal ci PDS PS et tous ces gens là dañ leen a war a bale teg leen fële on essaie ñu essayer de di jéem a essayer leneen lu bees parce que Sénégal dafa soxla leneen lu bees mais ñëpp ñi nga xam dañoo jaar ci les anciens partis là am doctrine parti yooyu boo leen tegaatee ci réew mi lu raw lu ngay dund ci Macky Sall ngay dundaat même bambula bi moo fiy nekk rek ak même même personnes yi même têtes yi même clans yi même gens yi ñooy ñëwaat. Macky Sall bi ngeen xeexee Abdoulaye Wade dàq kook nguuram ak ay nitam dafa récupéré waat ñëpp dugal laa ci ci ci nguur gi ñu toog ci tele yi di amer nit ñi ak ay discours yoo xam ne tout est erroné di wax lu leen saf. mun tegal ñu vingt cinq liste vingt cinq personnes ci liste kenn lañ ci condamné génn exilé ko génn ko dëkk bi. moom it bi mu demee ba Qatar mënoon naa xam ne moom li ñu koy waxal du dëgg mu insister delluwaat ci dëkk bi xeex buñ koy téye ñu téye ko mu xeex parce que li ko dese woon ci condamnation bi bari su boobaa bu bu bu jéemee postuler pour nekk candidat danañ ko accepter danañ jàpp ne c'est logique c'est normal parce que il a il était ici à combattre mais mënuñoo nekk ak Ousmane Sonko mu duñu régler le problème mu Macky Sall pendant tout sa temps ñu yegg si ba fi ñu naan ñi ay Khalifa Sall ak ay Demba Ndiaye ak ay Karim wad pour lan man je ne voterai jamais Khalifa Sall je ne voterai jamais Karim wad parce que du question dama len contre Ousmane Sonko la favoriser seen parce que Ousmane Sonko mo taxaw actuellement sincèrement parlant n'est un vrai opposant du début jusqu'à aujourd'hui tenir tête Macky Sall nekk koo xam ne sañ naa taxaw fu ne ne defuma sàccu ma laaluma àll réew mi kenen ko fi dégg mu naan laaluma àll réew mi discours bu Ousmane Sonko yor moom rek moo ko yor ci Sénégal ci opposant ak ci politicien moom rek ko yor léegi lu tax ñun ñu pour bëgg lu neex ma Samba wala ma demba ñu war a mën a accepter keneen toog fële ba yëf yi nooy mu ñëw ñu jox ko moom ñi ci des ñi fi nekkoon di xeex moom ñu sànni leen à la poubelle loolu c'est de la trahison c'est de la trahison pure et dure moi je ne serai jamais un traître

duma ma sa xarit duma sa mbokk duma sa dëkkandoo ñun ci niveau boobu à la diaspora ci niveau boobu lañ toll amuñu xarit ci mbokk ci Sénégal amuñu ci xarit amuñu ci mbokk amuñu ci dëkkandoo amuñu ci doomu ndey dëgg rek lañ ci am parce que nous sommes à l'étranger xam nañ ni ni dëkk war a doxee xam nañ lan mooy dëkk bu nekk en voie de développement ak dëkk bu développé xam nañ lan mooy gestion publique xam nañ nañ lañ war a gérer état nañ lañ war a gérer les fonds de l'état xam nan la république ak patriotisme wara doxé donc amul kenn ci Sénégal ko xamné am nga maqama ñi di la topp ci bëti yama neex déedéet da ngay poser acte yi ñu gis né li moy li ñu gëm ñun parce que ñun les les les immigrés am nañ opinion ci patriotisme xam nañ lu bari kenn mënuñoo corrompre kenn mënuñoo nax nax kenn mënuñoo nax sa suñu yéwo ñi ngi jang parce que nous ne sommes pas au Sénégal nous sommes à l'étranger Du dund ak ay étranger gis nan la poser acte yi ak nan la fonctionner kon on n'a rien contre Karim Wade mais on ne peut pas accepter que Karim Wade toog Qatar ba mu neex ko ñu nooyalal ko ba mu nooy mu ñëw na faax toog ci siège bi pour là, pour lan Karim Wade gënu gënu fi ndey gënu fi bàyyi <laughs> lan moo tax mu dem toog Qatar di dund ci climam di nekk ci ndaataaka la xam ak gundaa ndaatam xëy ñëw ñu fal ko pour la fii ku fi bëgg ñu fal la da ngay wàcc ci terrain bi di subir li Ousmane Sonko di subir ñii di tudd sa waajur ba génn àdduna di tudd sa ndey di la saaga di la xas di la wax li nga di la agressé di la def lu ne nga assumé nekk sur le terrain di risquer sa vie sa vie famille sa avenir nga risqué ko pour le peuple bu ñu xamné yow mi kat da nga jaayoon sa lépp ngir askan mais do dem doxi say soxla ba dernier minute nga ñëw né dama bëgg ñu fal loolu bu ko Sénégalais yi défé ma xamné il il val rien du tout fi ben candidat bu valable mo fi nek actuellement bo xamné ni il mérite d'être élu à la tête du pays parce que mom mo koy dund le vrai opposant mom la muy Ousmane Sonko ku ci ànd yaa xam ku ci àndul yaa xam mais lii mooy dëgg gi mënumaa bàyyi ñi fi nekkoon di sonn di fal koo xam ne nekku fi woon pour lan man mi wax ak yéen boo waree fal kenn Sénégal bala nga may fal falal kooku ba pare ndax moo nekk sur le terrain mooy dund la situation ñun vision boobu lañu am le mérit nit ki dafa war a mériter liñ koy jox donc am Sall si boobu muy wax boppam lay jéem a defaral ay ay buntu de sortie parce que jàpp na ne Karim xëy na moo gën a neex a raisonné moo gën a neex a contrôlé xalifa Sall moom xol ba daa bin xol ba daa kii euh, xol bu sedd la yor moom daa daa neex ak baab Ousmane Sonko nag dëgg lay doxeek nit ak koo mën a doon ak loo mën a doon ak foo mën a bokk dëgg rek ngeen di ànd léegi man dinaa gis ku mel noonu di ko tëkkalee koo xam ne day bu subaa mën naa saraxee république nañu arrêté nañu arrêté tey waxante dëgg même si xalifa Sall est notre allié Khalifa Sall, il a fait son temps depuis 5 ans de politique. Ça suffit. Doina, nak. vraiment. il Mom sa warna khamne doina. Depuis 5 ans de politique. Nous devons faire le baisse du 109. Nous devons faire baisse politique, baisse discours, baisse. Mais nous devons faire le baisse de 1960 déedéet je n'ai rien contre Khalifa Sall ni Karim Wade mais je ne peux pas accepter que Macky Sall di leen dugal ci piège yeen sénégalais yi naan leen Karim a ngi ñëw ngeen di di bég pour lan Karim di ñëw ñu di ko jox réew mi pendant ce temps Ousmane Sonko ngi sur le terrain ñi di ko saaga di ko xas di ko yàq lu melni ni ndax yeen soyez un peu plus honnête et sincère avec lui té ngeen respecté ko mo xam journaliste nga moo xam politicien nga moo xam am d'affaires moo xam koo mën a doon da nga war a am respect bu Ndour la mu wax keroog xamul sax li ko waxloo les gens doivent du respect au président Ousmane Sonko te respect boobu tant que joxu leen ko mag mu fi wax gone yi dinañ dugg si sa caaya amul sax werante amuñu si luñ ciy naxasaale ak luñ ci baax baax ak liñ ci yaru yaru amu fi complexe amu fi négociation amu si képp koo xam ne respecté woo Ousmane Sonko na la leer na duñ la respecté ba àddunay tukki jarul sax nga ko di ko wala nga di ko crier sur tous les toits duñ la respecté parce que Ousmane Sonko defu len waxu len waxut sax seeni wax ben wax lay wax muy waxi Macky Sall ak Sénégal képp kuy waxat ci bom da ngay wax ni rek wax lu la neex mais amul leen benn contentieux motax tax ku dugg ci ay tankam bo doxé tout gis na mi ci ay jafé jafé parce que da ngay togn togn ko xamné deug la bëgg a taxawal ci kaw Sénégal nga ne ko doko fi taxawalee bu boba yalla nga amal affaire mais amo affaire ak Ousmane Sonko nañu honnête te sincère te gëm li ñuy def sénégalais il faut ñu apprendre à dëggal suñu bopp loo bëgg-bëgg nit ki du tee bu dëgg jotee nga taxaw ci dëgg buñ jógee ne ñun ay jullit lañ ay croyant lañ te duñ doxal daray dëgg ponk lu magum jëm ngay gis mu toog ci télé bi wala ci rajo bi di wax wax joo xam parce que wax la muy wax am na ku muy ragal wala am na ku muy sóoraale mu di ko wax ba pare bëgg kooku bëgg ñu respecté ku nekk am nga opinion mais teg ko ci dëgg ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga xalaat mais boo waxee li nga xalaat ba pare da ngay bàyyi nit ñi ñoom ñu wax ci sa xalaat liñ ci xalaat mais mënoo wax li ngay xalaat wax lu neex ba pare ne non bu leen ma critiquer <laughs> mënul nekk Ousmane Sonko chaque jour ñu koy critiquer di ko yàq lu mel di toog ci télé bi en direct di assumer di ko wax wax ju bon te kenn du leen porter plainte kenn du leen woo mu di ko muñ di ko subir di ko dund il est le politicien le plus acculé territoire sénégalais mom lañ ci gëna gën ci gën gën waxu koy wax ci Macky Sall ak réew Abdou Diouf Abdou Diouf lay wax ñun amuñu problème personne li ngay ci loolu lañ lay wax kon loolu la na politiciens yi ak sénégalais Ousmane Sonko compte bu muy rendre à qui que ce soit il n'y a pas de justice dans cette affaire amul justice a pas de justice Il n'y a amul de justice Il n'y a pas de wuyu amul luñ ci wax nek di expliquer amul loo xam ne nii na fi ñu war koo amul ni dossier bi c'est parce que une réponse ci politique Sonko taxaway bi mu taxaw jaaxal na len mënuñ ko corrompre mënuñ ko ray mënuñ ko xop mënuñ ko nogot mënuñ ci mom dara léegi ñu jël dossier bi ba ko ci ndoddu euh, euh, yi di amer de nit ñi suba am ay naafeq yi taxaw na no dafa wara wuy jek justice dafa wara am ak ban justice moy ban justice yow set le le pièce maîtresse de cette affaire néna carrément ndaw ci li wax du deug léegi lu ngeen bëgg na lan ngeen bëgg lu ngeen bëgg Si je Ousmane Sonko convoqué à aucun des questions parce que ça c'est ni médicalement parlant tout est clair tout est clair qu'est-ce que vous voulez encore souvenez vous que pouvoir d'anel Ousmane Sonko da ngeen a war muñ rek te xam lii la dogal mais du jël di utiliser ay du matin au soir sonal nit ñi ay disant personne intègre di nit ñi di wax ay waxi amul amul sonal nit ñi ci wax amul amul fenn ah, bëgg indi ay justification je suis neutre ah, je suis pour la justice la vérité la quoi la la Sénégal justice libre amu

Eh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne raar bi nag loolu rek la woon dañu amoon waajur yu jigéen nga xam ne moo sës ci ñun nekk suñu lépp suñu àdduna ak suñu alaxira moom rek moo ñu jaral dee ci biir Sénégal moom la fi yàlla jële ñu nangu ko li yàlla dogal di ko ñaanal te ñaan ngeen ñaanal ko suñu borom àtte ko ci yërmandeem maa ngi gërëm patriote yëpp nag ñi ma gis ak ñi ma gisul ñi ma dégg ak ñi ma déggul ci seen taxawaay ndax vraiment won nañ ma ni ñoo ma gën donc maa ngi leen gërëm di leen sant surtout waa daara yi Pastef waa anticorps yeeg xam nga tous ces <laughs> ces contingents la maa ngi maa ngi gërëm ñëpp bàyyuma ci kenn nag góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci biir ak ñi ci biti ñëpp waaw vraiment kontaan naa gis naa seen taxawaay euh, di leen sant bu baax di leen wax ba beneen yoon et le combat continue focus sur 2024 amul Ben mbindeef bu yalla sak ci kaw suuf bu mën a Ousmane Sonko nekk candidat en 2024 il faut que lolu mu dugg ci bop Macky Sall yalla sakul ci kaw suuf ben doomu adama ci bëgg coobare bopam ak bëgg-bëgg bopam rek mu ne Ousmane Sonko du nek candidat lolu mom du fi amé tay du fi amé ëllëg ku mu neex nak mën ngaa candidat mais na Sénégalais am personnalité sen bop am foule sen bop xamné ñu tànn ki ñuy choisir parce que maa fi nekkoon wala Abdoulaye Wade sama baay wala yàgg naa ci politique nangam ak nangam fii la xarit dugg loolu ñun gëmuñu ko li ñu gëm mooy kii moo fi nekkoon pendant tous ces années Macky Sall demoon na ba rey opposition bi complètement amatutoon kenn ku ko mën a tenir tête mu nekk fii ndaataatalax di def lu ko saf indi benn booy bu ndaw jóge ci biir fonction publique ne ko maa la gën a jub mala gëna gën honnête maa la gën a sincère mosuma sacc alalu askan wi jusqu'à présent génnewuñ le contraire ak état moyens yi mu am ak doole yi mu am yépp mënu ta fexé ba génne 100 francs ne Ousmane Sonko ko sacc loolu rek doyna preuve Ousmane Sonko n'a plus rien à prouver su fekkee Sénégalais yi bëgg nañ lu baax bëgg nañ dëgg nañ ci ànd ak moom suñ ko bëggul léegi nañu bàyyi Macky Sall mu toog fi ñu soppi Sénégal def ko royaume Macky Sall di roi bi et la vie continue au point est très mais du fi nekk man Ousmane Sonko di sacrifier boppam sacrifier njabootam sacrifier avenir am ba yegg fii ñu naan ñi ay Karim Wade ay xalifa Sall bu ñu kenn amer